et qui se trouvent des perspectives qui ne sont pas le retour dans le foyer et l'obligation du mariage. J'ai été particulièrement complexé, je dois dire, par les propos de la slameuse. Vraiment, qu'est-ce que c'est beau son poème, qu'est-ce que c'est plein de sens. Voilà les genres de personnes que nous avons et que nous pouvons promouvoir. Si elle est là, ce qu'il y en a des milliers d'autres encore, qui dans les mêmes conditions qu'elle, aurait fait preuve de telle culture d'un tel art. Et voilà ce que nous perdons. C'est que nous avons une seule malheureusement. Quand nous aurions pu en avoir beaucoup.